cet entretien s'est déroulé dans la plus grande cordialité, dans la plus grande fraternité, mais aussi dans le plus grand respect des exigences républicaines. Je voudrais d'abord euh, remercier le président de la République, mais aussi saluer le peuple sénégalais, souhaiter à ce que ce combat-là que nous sommes en train de mener, que ce combat puisse quand être gagné. Parce que le président l'a dit, nous sommes en guerre. Et qui engage une guerre doit pouvoir engager une guerre pour la gagner. C'est pourquoi le président Abdoulaye Wade nous a envoyés ici pour d'abord saluer l'initiative de M. le Président de la République, vier l'opposition parlementaire dans ce moment où l'État vit des moments exceptionnels, qui d'ailleurs poussé le Président de la République à demander l'extension de ses pouvoirs pour pouvoir arriver à bout de cet ennemi qui est ce virus-là inconnu et invisible. Euh, le président Ouad, pour rappel, avait déjà pris des initiatives dans ce sens ce qu'on voyait déjà venir. Et c'est en ce sens-là qu'il avait fait une déclaration dès le début pour un peu engager les Sénégalais dans la prise d'une série de mesures qui vont dans le sens de la restriction des déplacements, qui vont dans le sens de l'annulation de toutes les activités au plan politique au sein de notre parti, mais de demander aux Sénégalais, nos compatriotes, de ne plus bouger pour bouger, mais bouger pour être dans ce qui est essentiel. Et c'est sous cela aussi devait annuler toutes les tous les déplacements et tous les voyages à l'étranger. Et il nous a demandé de remercier le président de la République, mais aussi de manifester le soutien positif du PDS euh, dans ce qui est en train d'être fait, surtout par rapport au corps médical et au soutien qu'on doit lui apporter. De travailler à renforcer l'information, mais aussi à renforcer les tests systématiques pour empêcher la prolongation de, de cette maladie. Sur les mesures prises par le président de la République, il a annoncé hier à l'occasion de son adresse à la nation. Euh, quel est votre avis là-dessus Écoutez, le PDS soutient totalement les mesures prises par M. le Président de la République. Et Inch'Allah, au niveau de l'Assemblée nationale, nos députés vont accompagner, euh, vont soutenir cette loi qu'il a demandé, cette loi d'habilitation-là, pour pouvoir étendre ses pouvoirs afin de pouvoir venir à bout euh, de cette maladie surtout nga nekk yor kàddu parti démocratique sénégalais ànd itam ak ki jiite groupe parlementaire bu parti bi fële ci pencum ndaw réew mi ginnaaw waxtaan bi nga xam ne sëkk ngeen ko ak njiitu réew mi lan lañ ci mën a jàppandi ak surtout nag rawatina euh, mesures yi nga xam ne njiitu réew mi annoncé na ko ban jàngat ngeen ci mën a am tey. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi dañuy euh, nuyu sénégalais yëpp di leen masawu coono ci li nga xam moom la ñu dund mais di leen encouragé di leen ñaax ci ñu muñ di leen ñaax ci ñu respecté li nga xamante ne moom mooy mesures yi ñu mais di leen di leen ñaan aussi ñu nangu ndigal yi parce que ci loolu rek la ñu mën a arrivé à bout rencontré leen monsieur le président de la république ci ndigalu président Abdoulaye Wade secrétaire général national PDS man ak président Chabary euh, Dolly rencontré nañ ko waxtaan nañu ci waxtaan bu sell waxtaanu ñu gëm seen réew waxtaan ñu bëgg seen réew euh, wax nañu ay mébétam wax nañu ko li ñu président Abdoulaye Wade wax que ñu ngi soutenir action yi nga xamante mom lay def pour que li nga xamante mom moy mooy suñu noon te dugg ci aduna te menace nek ci humanité bi ñu mën ko accompagner mën ko jàppale pour que mu mën ci mën ci rafetlu li tax mu wo opposition bi yépp opposition parlementaire pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante mom lay jël surtout ci moment bi nga xamante Sénégal dafa nek di dund lu metti humanité bi dafa nek di dund lu metti donc loolu moo tax président Wade nii non seulement mu ngi soutenir initiative bi mu ngi koy saluer mais mu ngi fàttali

le début du mois de mars donc loolu bi ñu koy def xamoon nañu ni maladie bi dafa nekk maladie bu grave ndokk yàlla nag tey bu président de la république xamee euh, enjeu yi ba jël ko ba commencé engagé li nga xamante ni moom la engagé donc ñu ngi koy soutenir président Wade aussi mu ngi soutenir li nga xamante ni mooy personnel médical bi di leen encouragé di ñaan aussi ñu jàppale leen ci information yi ñu war a jox population bi di ñaan aussi ñu jàppale leen ci moyens yi nga xamante war nañ ko mën a mobiliser te je pense que monsieur le président de la République am na initiative yu bëri yu mu ci jël di wax aussi ni test yi war nañ ko gën mën a yokk pour permettre li nga xamante ni sénégalais yi dinañ mën a ak maladie donc globalement loolu daal lañu waxtaanee monsieur le président de la république di rafetlu encore une fois jotaay bi.